Nous sommes euh, lundi 16 décembre 2024, chères auditrices, auditeurs, bonjour à vous et bienvenue au premier rendez-vous de la semaine euh, de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Au micro, je suis Ali Munkela alias Seno et à mes côtés Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par euh, Issa Lawali et Adam Adawaki est à l'édition. Bonjour Rukayatou. Bonjour Seno, comment ça va Je vais bien et de ton côté Ça va très bien. Alors, euh, rappelle-nous le programme de ce matin. Comme d'habitude, Seno, nous offrirons à nos auditeurs un programme très riche qui commence avec le flash d'information, s'en suivra avec la rubrique justice comme chaque lundi. Il y aura également de la musique 100% euh, nigérienne comme toujours et évidemment le loti avec les femmes du studio Kalangu, la rubrique sport, de la culture linguistique. Ensuite, nous ferons un tour en région plus précise à pour le reportage des régions. Et oui, Rukayatou, euh, toujours dans ce programme, dans la partie entretien du jour, nous suivrons un entretien de Ali Atibidi, chanteur et compositeur, euh, euh, qui nous dira un peu plus sur sa carrière musicale dans un instant. Sans plus tarder, voici le flash d'information avec euh, Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine. Dans une déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, publiée samedi 14 décembre 2024 et signée par le président en exercice Assimi Goïta du Mali, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger décident que les ressortissants de la CDAO n'ont pas besoin de visa pour entrer, résider ou exercer des activités dans l'espace de la Confédération dans le respect des textes nationaux en vigueur. Cependant, précise la déclaration, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CDAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. De même, selon la déclaration, les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CDAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux textes en vigueur et ceux à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CDAO et transportant des passagers pour entrer sur le territoire d'un État membre de l'AES conformément au texte en vigueur. Les lampions du, de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme couplée au Salon nigérien des meubles Safem et du Sanim se sont éteints samedi à Niamey sur une note de grande satisfaction de la ministre en charge de l'artisanat, Madame Soufiane Agaïchata Placée sur le thème promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Cette édition couplée pour la première fois avec le Salon nigérien des meubles a connu un succès remarquable, s'est réjouie la ministre de l'Artisanat, présidente du comité d'organisation. Et enfin, un élan de solidarité historique a marqué le lancement du Téléthon national au Niger le samedi 14 décembre 2024 à Niamey. Lors de cette cérémonie, près de 880 millions de francs CFA ont été collectés grâce à la mobilisation exceptionnelle des citoyens et des partenaires. Ces fonds essentiels permettront de renforcer les infrastructures de santé, améliorer les soins prénatales et postnatales et soutenir les programmes de sensibilisation dans le d'atteindre un risque zéro pour les femmes et les enfants du pays. Ce lancement marque le début d'une campagne qui se poursuivra jusqu'au 14 janvier 2025. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika et bonne journée. Merci Ruki. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous suivrons un entretien avec, euh, dans un instant avec Ali Akibli. Oui, mais avant, écoutons l'un de ses titres. Il s'agit du titre euh, Kinshinkasa, un titre qui lui a permis euh, de remporter le prix d'Angourm de cette année. zancen gini kasanmu ne za mu yi bayani a duk ƙasa kasa dole ne ya yi kishin kasai shi ya bi ka'idodi da dokoki da suke kasai shi kun ga yau kasan mu ta dauki hanya ta nemi inci ya mu na kira 'yan niger maza da mata sai mu haɗa hannu karfi da karfe mu sami incin tafiyar da saura gami gaugawa a cikinta. tashi mu daga fuffiken mu za mu tashi aiki na kowa ne babu zancen wane da wane sai mu yi hatara kan mu bari wasu su yaudare mu ko da kudi ko magana don mu bata tsarin wanda muka dauko don mu na kasan mu Nijar an muka yi haka mutunci kasa mu mutunci kanmu in a can baya an ba mu inci takarda ce aka ba mu dan babi intin komi za ka yi sai a ce sai kaga wane ko kuɗi kama shi ne za ya buga ya baka kasuwanci kai kuɗi ka shi ne za ya aishe da abun kana kana gani sai an raba a baka ko su raba bakwai su baka guda su sai ɗauki shida wannan iti ne ko kuma wayo ne da salon a shi ne gaba ina kasa ba yi shi ba biki shi kuma tsaron ƙasa ma yana ciki neman inci jami'an tsaron mu mu ba hannu a da yaushe mu zama idan su a ko'ina mun ga mugu mu faɗi da sauri kai yayi bana cikin mu ina matasa zan yi bayani akan hukuma kar ku bari wa'ansu su zo abu daji su ba ku mai da 'yan kuɗi don ku yaƙi ƙasarku ku kun ga ku kashe ko a kashe ku babu riba to ku sani ƙasa tana buƙatar ku ko da yaushe kareta kare ta a ko'ina da ra'ayi na kan gaba ka ta kasal ka kullum daga furta kalaman banza ƙarya zuwa ga shari busa shugabannin ka ko kasal ka wuri-wuri a busa shafuka na sada zumunta ko ka a hili irin haka na samu tabbata ba ka kishin kasal ka sai ka yi addu'a ka nuna kishi a kan kasal ka na ma'aikata zan yi bayani akan ku kuma ku daina latti wajen aiki ku je a lokaci ku sabbuka a lokaci ku daina hutun shaki da kaya ku zo mu yaki cin hanci rashawa a cikin kasar mu. a kishin ƙasa mu a zo da yaushe shi ne gaba a shi ne gaba ina kasa ba a yi shi ba biki shi masu iko na yanzu kuma ga wani sabo wannan matsayi Allah ya baku ba wani can ba ku rike amanar da kun ka dauka hallo gaskiya banda nuna bambanci wariya gami da san kai ku nema hanyoyi da yawa na gina kasar mu yau ne jama'a yana busa ka ku kasu koka idan mu tsare kasan mu da kanmu mu suwa ne gashi yanzu sun bar ƙasar mu mu samu sukuni Allah raka ta Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Kishinkasa de l'artiste euh, voilà, Ali Atibili. Après la pause, chers auditeurs, entamons la première partie de notre entretien du jour. Oui, c'est non. Ali Oumaroudi Ali Atibili du groupe Husky Star de Zender a été déclaré vainqueur avec une note de 17 sur 20 de la catégorie orchestre à l'issue du concours de la musique moderne nigérienne dénommé Prix d'Angourmou qui s'est tenu du 19 au 24 novembre novembre 2024 à Tawa. Une récompense amplement méritée au vu de la qualité des prestations offertes, nous explique l'artiste chanteur Ali Omaroudi Achibili dans cet entretien accordé à notre correspondante Zara Boukar. Et je m'appelle Ali Omar, plus connu sous le nom de Ali Je suis artiste chanteur, producteur, interprète et chef d'agence alors, vous aviez participé au festival euh, annuel de la musique nigérienne dénommé Dangourmou, festival à travers lequel le groupe euh, Star, que vous dirigez, a su convaincre le jury et le public. Quel a été votre point fort Bon, mon point fort, cest d'abord c'est la créativité, et aussi la recherche, et aussi l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, en matière de, de l'art, il faut créer, il faut travailler, et il faut innover. Et, c'est ça qui a fait aujourd'hui euh, que le travail qu'on a fait a été récompensé par le jury et apprécié aussi par nos fans et le public qui s'étaient rendus sur place pour suivre les événements en direct à la télé et sur place. Et le jour où on était sur le podium, quand on est sorti, beaucoup de gens nous ont appelé pour dire que vraiment on mérite la première place. Donc euh, on peut, on dire que vraiment, c'est des choses qu'on peut, si on peut les ajouter, donc euh, ça, ça devient une force. Mhm. La population des Anders ou bien vos fans Nos fans, partout, nos fans, même ceux qui sont euh, dans de la diaspora, ceux qui sont dehors, et aussi on nous a appelés, ils nous ont félicités quand on a eu le prix. Donc on peut dire qu'en général, c'est les gens qui nous suivaient et aussi la population des Anders qui, qui, avec le nom, qu'on était parti au Ngouroumou. Donc, c'est comme si on était des ambassadeurs. Quoi. Alors parlons à présent de ce prestigieux prix que vous avez remporté. Que signifie cette distinction pour l'espèce star Ça signifie que qu'on travaille d'abord hein, et ça montre qu'il y a aussi la capacité d'aller encore remporter un autre prix même pas au Niger, ailleurs. Et c'est aussi et une étoile, parce qu'aujourd'hui, tout, tout le rêve d'un artiste, c'est d'avoir d'abord les récompenses, d'avoir fait des tournées. Donc, moi, on peut dire que ce prix est aussi, en, un, mot, une médaille pour, pour le groupe. Aujourd'hui, le groupe a grandi, parce qu'il remporte un prix de ce genre, et c'est pas facile beaucoup de gens ont participé, il y a beaucoup de concurrents, on était sortis premiers, et surtout, et la note qu'on a eue, ça n'a jamais été donné au prix groupe, On a eu 17,70 sur 20, et parmi tous les compétitions précédentes, du premier jusqu'au 12e, euh, donc il n'y a pas une note qui a dépassé 15. Mais nous, on a eu 17 70. Là, c'est parce qu'on a travaillé, on a innové, on a créé. Et ça bien, tu vois, à la, première question que tu m'avais, c'est la, créativité et l'innovation et aussi les recherches. Parce qu'aujourd'hui, l'art, c'est comme une photo. Mhm. Donc il faut faire de belles photos, de belles créativités pour que les gens apprécient. Alors, comment ces prix peut-il désormais impacter positivement la performance de votre groupe Aujourd'hui, le fait de me dédiquer que ça est devenu champion national. C'est déjà bon. Et aussi maintenant, les institutions. Sur au Niger, on a, une tradition et tout le monde veut quelque chose de nouveau ou quelque chose de grand. Mhm. Quand tu prends du côté de. Je vais donner un exemple. Quand tu prends la lutte traditionnelle, aujourd'hui, si un champion qui était à la lutte. Tu vas aller voir sa photo dans beaucoup de publicités. Et aujourd'hui, nous aussi, le fait d'avoir le premier prix, déjà, avant ça, on m'avait contacté pour une tournée nationale. Donc avec tous les lauréats qui ont été euh, primés du côté du premier groupe, donc au international. Et aussi, c'est une, ouverture de porte qui va permettre au groupe encore d'avoir accès à des contrats, parce qu'aujourd'hui, c'est glorifiant Dès que j'ai invité l'orchestre qui a gagné le premier prix ah à mes activités. Tu vois, donc c'est déjà, on peut dire que c'est une, force et c'est une porte aussi. ça, ça a donné aussi une ouverture au groupe. Alors, euh, parlons à présent de votre carrière. Vos fans euh, se plaignent du fait que vous prenez du recul sur la musique. Euh, quelle sera votre réponse Bon, c'est pas de sais pour pouvoir voler Il faut savoir s'éteindre de vous Avoir des ailes ne suffit pas. C'est pas que je prends du recul, mais je me, je me recule pour venir en force. Comme on dit en ça, à Jarabaya, Donc, c'est ça. Je suis pas en train de reculer, mais je suis en train de, de créer d'autres surprises à nos fans. Parce que, et des fois, s'il faut être encore fort, il faut encore s'éclipser et maintenant revenir en force. Je l'ai fait plusieurs fois. Euh, après, après mon, premier album que j'ai fait au Asie, j'ai fait 4 ans sans album. Et quand il est sorti encore, ça solo, ça fait du boom. Encore, j'ai fait 4 ans, je pas sorti. Encore, quand il est sorti, et, là-bas, encore, ça fait du boom. Tu vois? Donc, le fait, c'est, le fait de s'éclipser, ça fait partie de l'art, quoi. C'est comme les camélons qui se, qui se déguisent en, arrivant dans un milieu, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la surprise que vous réservez à vos fans? La, surprise, ça se dit pas. Ça se voit. <laughs> voilà la surprise, ça se dit pas. Avant de poursuivre, euh, chers auditeurs, euh, nous allons encore une fois de plus partir en pause musicale et cette fois-ci pour retrouver euh, le titre Jinkanya Aya, voilà de l'artiste Ali Jibo. J'espère que j'ai bien prononcé le titre, c'est qui Jinkanya Aya. <laughs> voilà. <laughs> c'est parti. Rawa 'yan birni da 'yan ƙauye rawar 'yan birni da 'yan ƙauye ƴan mata samari ku tashi mu taka rawar boton wai shi kan ya ayya shi kan ya ayya suna shi kan ya ayya shi kan ya ayya boɗo da amina shi kanya aya. boɗo da amina shi kanya aya. Bodo ya gute amina tana kuka ai bari kuka amina ba yaƙi ne ba bari kuka amina bodo zai dawo bari kuka amina shi kanya aya. boɗo na amina shi kanya ayya ya wuce amina take kuka bari kuka amina bodo zai dawo bari kuka amina bodo ba komo uba na kidi diya na mishi goho uba na kidi diya na mishi goho ba goho ba ne ya wace ta yi ba goho ba ne ya wace ta yi ba goho ba ne Ya ce dai? yi ba goho ba ne iyawa ce sai kai haba Ali Jibo est né le 9 mars 1949 à Birninkoni, de la région de Tawa. Ali rejoint son premier groupe musical, l'Amical de Niamey, en 1972 Quelques années après avoir terminé ses études secondaires, deux ans plus tard, pendant les vacances de 1974, un groupe d'étudiants de l'école normale de Zender forme les ambassadeurs du Sahel. Et oui, Ali Jibo était le chanteur et compositeur le plus doué du groupe. Les ambassadeurs se séparent en 1976 et Ali Jibo fonda l'orchestre Caravane. Cet artiste nous a quittés en 2007. Dans cette chanson, il nous parle d'une fille qui a la nostalgie de son âme sœur qui est en déplacement tout en espérant son retour dans un bref délai. ya ba goho ya ne iyawa ce dai ba goho ba ne iyawa ce kai haba Chers auditeurs, retour au studio pour la deuxième partie de l'entretien du jour avec euh, Ali Oumaroudi Achibli. Ici, il nous parle de sa carrière et de l'évolution de la musique moderne à Zender. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de la musique de la région de Zender Bon, moi je peux dire qu'il y, a une progression de chaque côté et surtout euh, avec la nouvelle génération qui aimait la chose. Au début, on était avec des, des fans et aujourd'hui, les fans aussi sont devenus des artistes. Donc, je peux dire qu'il y a une évolution. Mais le seul, la seule chose qui voulait freiner cette évolution, moi, je pense que c'est le manque de créativité. Ah. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a, beaucoup d'opportunités euh, pour travailler. Nous, quand on a commencé, il n'y avait pas tout cela. Aujourd'hui, mais si tu veux travailler, tu peux aller sur Internet et tu tapes le nom des buts que tu veux. Et, déjà, il y a des plateformes qui ont, qui a des, beaucoup de, de, de, et tu peux télécharger et puis travailler. On parle de ça, on dit ça euh, à face B. Mais nous, quand on, était, on avait commencé, il n'y avait pas tout cela. C'est toi qui vas créer ta mélodie, c'est toi qui vas créer ton feeling, tes texte et toi, tout c'est toi qui vas Aujourd'hui, maintenant, les gens ont trouvé la facilité et ne travaillent pas. Si au moins les gens peuvent prendre ce qu'il y a l'Internet et puis ajouter quelque chose dedans. Moi, je pense que ça va être plus eh, innovant et plus Il y a aussi eh, ce qu'on dit en Oussa, eh, alors l'arrogance. quoi. Aujourd'hui, la personne va sortir un seul son et il n'est même pas sorti de son quartier et se croit star alors que toi tu n'es même pas sorti dans le quartier, dans l'autre quartier on ne te connaît même pas, et tu dis tu es tard. Et quand tu vas passer, euh, des fois tu mets à retard, et des fois tu, quand tu vas sur le podium, bon, euh, sur le podium ce n'est pas un problème, là c'est l'artiste, il est toujours comme ça, on est toujours capricieux, mais le respect de rendez-vous, c'est ça qui, des fois, qui, amène un peu de difficulté au niveau de, notre jeunesse de ce courage déjà grave alors que et pour pouvoir voyager, il faut, il faut pas avoir le premier pas. Donc, et, mais j'oublie qu'il y a avec le, il y a un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, Mais il veut que le premier, il arrive à un deuxième pas. Donc ça, donc c'est ça, il faut qu'il. Il faut pas sauter les étapes. Les étapes, oui. Donc il y, a, ça aussi. Et aussi, je peux dire qu'il y, a, aussi la, promotion que les gens ont en train de faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand tu prends le TikTok, le, WhatsApp, il y a beaucoup de, gens qui ont des plateformes là où il, le streaming qui, qui il y a, la musique. Donc là, c'est la promotion. On peut dire que ça évolue. Et l'information, passe en, grande vitesse. Selon vous, comment faire pour que la relève soit assurée Pour que la relève soit assurée, c'est d'abord ceux qui, vont être relevés. Ils doivent d'abord mettre en tête que tu vas préparer une relève, donc les gars qui tu vas de la conférence là, qui travaillent. Donc aujourd'hui, on a vu que même ceux qui, sont, ceux qui aiment être des relèves se prennent la tête. Déjà, quand tu es que la personne, tu as l'opportunité pour chanter Déjà, ils se collaborent, star. À chaque fois que les enfants avec qui on travaille, on essaie de comprendre qu'il faut aller doucement, doucement, doucement, parce que rien ne sert de, courir et puis après avoir un mauvais résultat. Il faut que la personne soit attentive, soit euh, patiente. Pour finir, euh, quel conseil souhaitez-vous pour éduquer à la nouvelle génération de musiciens en tant que doyen Bon, le seul conseil qu'on va lui donner, c'est le travail, parce que c'est le travail pays. Aujourd'hui, si on est connu dans le monde, c'est parce qu'on a travaillé et on s'est imposé. Parce que euh, dans, l'art, c'est quoi C'est d'avoir une touche. De côté de côté, on sait que c'est toi. Mais c'est pas avoir, pour être, pour faire du patchwork. Tu prends celui-là qui prend cela, tu n'as pas un, objectif. Donc, c'est de mhm. faire en sorte qu'on sait que c'est toi. Aujourd'hui, moi, de façon dont aujourd'hui je suis connu dans le monde, l'étape que j'ai subie, c'est tout un film. Parce que moi, j'ai l'habitude de prendre un CD ici, entrer en ami avec un CD pour donner à une personne. Je, devrais l'envoyer par bus, mais je préfère aller donner ça. Tu vois, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas le faire. Et aussi, c'est de multiplier la relation personnelle. Parce qu'on avait remarqué que tant que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'épauler, tu ne vas pas aller loin, quoi. Et aussi, je laisse profiter de votre micro pour un appel aussi à nos fans et à tous les usagers qui, qui aiment la musique nigérienne et qui, qui voulaient que la musique nigérienne avance, c'est de payer les redevances, les redevances droit d'auteur parce que les droits d'auteur là, ce sont le salaire de l'artiste. Je me suis mis à l'aise quand j'apprends qu'au eh, Burkina ou au Mali, on peut, on peut avoir 64 milliards de droits d'auteur et ici au Niger, on peut avoir 24 millions. Tu vois, l'écart est tellement grand, quoi. C'est parce que les gens ne croient pas à cette musique. Aujourd'hui, quand tu prends tous les portables des gens, tu peux avoir 10 musiques du Nigeria et après, tu peux avoir 3-4 musiques du C'est parce qu'il n'y a pas le, quoi, la consommation locale. Mm. Il faut que aussi les gens consomment local. Aujourd'hui, quand, quand un Nigérien va faire un concert, la salle doit être un peu à moitié mais si on te dit c'est un gars du Nigeria qui vient, ah. même si on ne le connaît pas. On a ces problèmes, hein, nous les Nigériens. C'est ça, tu vois. Donc il n'y a, pas la consommation locale. Mm. Il y a la consommation locale, donc il y a la, rédévance des droit d'auteur, il y a aussi la promotion. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, il est 11h passé de 25 minutes. Nous poursuivons toujours cette émission, le Niger sur Kalangou, et cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire Justice comme chaque lundi. Oui, c'est non. Avant la mise en œuvre de sa décision de licencier un ou plusieurs salariés pour des motifs économiques, l'employeur doit réunir et consulter les représentants du personnel. Il doit informer aussi l'inspecteur du travail selon l'article 73 du Code du travail. Oui, le travailleur euh, licencié pour motif euh, économique a droit à une indemnité de préavis et à l'éventuelle indemnité de licenciement, en plus d'une indemnité spéciale non imposable payée euh, par l'employeur et égale à un mois de salaire brut. Qu'est-ce qu'un employé Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en difficulté et quels sont les risques que court l'employé dans l'entreprise en difficulté Ibrahim Baraou, spécialiste de droit à Ingingimi, au micro de Abdoulaye Maina. Qu'est-ce qu'un employé Un employé ou travailleur est, au terme de l'article 2 de la linéa premier du Code du travail, une personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. L'employé est nécessairement lié à l'employeur par un contrat de travail qui peut être temporaire. Article 16, à durée déterminée ou à durée indéterminée. Article 40. Qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté Une entreprise est dite en difficulté lorsqu'elle connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise, ou lorsqu'elle est en cessation de paiement la cessation des paiements est la situation dans laquelle l'entreprise est de l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire qu'avec ses avoirs, elle ne peut pas payer ses dettes. Quels sont les risques qui courent l'employé dans l'entreprise en difficulté Sur les salaires, en vue d'éviter la cessation de son activité, le chef de l'entreprise en difficulté saisit par requête le président du tribunal de grande instance pour suspendre les poursuites individuelles Relative aux créances qu'elle aura précisées. La décision de suspension s'applique à tous les créanciers chirographaires, c'est-à-dire ceux qui ne disposent d'aucune sûreté, à l'exception des créanciers de salaire, article 9, acte uniforme au radar adopté le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999. Les créanciers de salaire ne peuvent consentir aucune remise de dette ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes. Les délais qu'ils consentiraient ne devraient pas excéder un an et devraient être acceptés par le président du tribunal de grande instance dans la décision de règlement préventif. Article 15, barre 2. Qu'elle soit un redressement judiciaire, qui est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'appurement de son passif au moyen d'un concordant de redressement ou sous le régime de la liquidation des biens qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif, l'entreprise est tenue de payer les salariés qui sont des créanciers super privilégiés pour le paiement de leur salaire dans le délai de 10 jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. S'il n'y a pas de fonds nécessaires à cet effet, ces salaires seront payés sur les premières entrées de fonds avant le paiement de toute autre créance. Article 96, 143 et 149 de l'article uniforme sur les emplois la mise en chômage temporaire en raison de difficultés économiques graves, un employeur peut décider de suspendre tout ou partie de son activité. C'est la période de chômage temporaire pendant laquelle les contrats de travail sont suspendus. La mise en chômage temporaire prononcée pour une durée déterminée peut être renouvelée suivant la procédure prévue à l'article 68 du Code du travail. Elle ne peut être imposée aux salariés en une ou plusieurs fois pendant plus de trois mois de travail au cours d'une même période de 12 mois. Passé le délai de trois mois de travail, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. Article 68 du Code du travail. Des licenciements collectifs fondés sur des motifs économiques peuvent intervenir s'ils paraissent urgents et indispensables. Article 110 de l'acte uniforme. Avant la mise en œuvre de sa décision de licencier un ou plusieurs salariés pour des motifs économiques, l'employeur doit réunir et consulter le représentant du personnel. Il en informe l'inspecteur du travail, article 113 du Code du travail. Il établit l'ordre des licenciements en tenant compte de la qualification et de l'aptitude professionnelle ainsi que de l'ancienneté des employés dans l'entreprise, article 114. Les licenciements économiques opérés par le syndicat, redressement judiciaire ou liquidation des biens doivent être autorisés par le juge commissaire et leur mise en œuvre est soumise au respect des règles de préavis, indemnité, d'ordre, des licenciements et information des salariés. Voilà, chers auditeurs, c'était euh, la rubrique euh, hebdomadaire Justice. Un autre tour en musique pour euh, savourer cette fois-ci du rap et ça sera avec le titre Amen de Azahil Abdul. yale shabope kena yudu Tara gana keshe zoron dekste Tara gana tantra fonkre Tara gana Lardon tudra kala tre Yurdu na kantra gana fonkre Tara gana na Lardon turu kuy kukre Untu masi dektiller Yurdu son vrai nom Azahil Abou Afan, originaire de la région de Zender et un jeune artiste rappeur de la nouvelle génération. Il cartonne au style de sa musique urbaine telle que le trap, le RB. Il a plusieurs fois représenté la région de Zender pour le grand festival, festival international des musiques afro-urbaines du fleuve Niger FIMOF 2023. Après cette pause musicale, fidèles auditeurs, direction d'Osso pour l'écho des régions. En effet, Rukaya, euh, dans le rues animé de Malgourou, une réalité poignante se dévoile à travers le regard des jeunes filles vendeuses, souvent contraintes de braver les dangers du quotidien. À la croisée euh, des chemins entre nécessité économique et vulnérabilité, ces adolescentes jonglent entre la quête de survie et les menaces qui pèsent sur leur intégrité. Écoutons le reportage de Nana Hadiza Hassan. Karkarar Malgoro mai nisan kilomita 40 daga Gaya yankin Doso. A wannan yankin dai kananan sana'o'in da 'yan mata ke gudanarwa bisa tituna ana jefa su ga matsaloli. Lalle ne duk da yawan kasan da ribar da 'yan matan ke samu a wannan sana'ar da yawa daga cikinsu na fadawa a tarkon garari tsangwama da kuma yaudara kamar yadda waɗannan 'yan matan suka sai muna da na hira da su a wata 'yar kasuwar safe a nan Malgoro. Dambu na nika sai suwa. wallahi na shima cikin shi da akalla na shekara uku ina sai da shi wallahi mun bata ta san da shi tun daga asuba ita ga tashi tana buga min dambu eh wajen karhe bakwai zuwa karhe takwas nika zawa nan wajen dambu wallahi ina samu kwarai wallahi Da in na sayi masara tangol goma sha biyar ina sayi wajen jika biyar masara jika biyar in sai da ina sai da jika tara jika goma ina sai da kwabtoci a sanke in dai an ba da su ne mu ce dan dai mu samu kuɗin sayan kayan lantarki amma in ekwal ya tashi muna bari to muna sayan kwafto wai gize jika muna samu dala hamsin riba babu riba da yawa amma dai muna yin haka nan dai zama muke wuce guda muna saidawa wallah ana samun matsala da akwai wayan na suna cin abun ka suke ba su biya akwai ma ana ce ma ana dukan mutane akan shi a suna ga wallahi gaskiya dai wata ran ya tabba ni matsala saboda wata rana ma na ɗauko sana'a na hutu sai wani ɗa namiji ya kirawo ni yace in to in saida mishi cikin ɗaki ni na azama shi ɗaya ne ashe ba ma shi ɗaya ne ba sai wata mata ta ta ce kan in shiga kan in bi su in ta in saida musu wallahi tun ran ni na ji tsoro in yawo ta zuwa talla sai dai ajiye wuri guda wanda ga so ya to ya sayi ko kuma mutum ya iske cikin gida ya sayi malama Aisha da kuma Nafisa iyaye mata biyu ne sun bayyana mana cewa yin wannan sana'ar a gare su ya zama dole lokacin hutun makaranta wata dama ce ce ga 'yan mata don samun kuɗaɗe kaɗan da kuma tunkarar komawa makaranta da dai sauransu in mutum baya sana'a haraka ba ta yi makaranta ce ke farawa dole ka azama yaron ka talla saboda ana son sayan littafin rubutu ana son sayan biro kuma ga ankon makaranta shi ma yana son a saye shi kai talaka baka iya zama tunda baka da mai tallafa maka in baka azama yaron talla ba me za ka yi ni wata rana da na azama diyata talla Allah ɗaya ne ya gyara hakan ya bani tsoro na ce to ba zan ƙara azama diyata talla ba tunda an kusa yin banna mazan yanzu ba su da lissahi ko ya yarinya karama ce suka gani suna neman faɗan mata da ta zo ta gaya mini sai na ce to shi kenan baki ƙara zuwa talla wannan dai ne ya hudda talla a raina talla kai binara a cikin bayanin da shugaban sashen kare yara na nan birnin doso malam jibril na lokoko wa'annan yaran na fuskantar kowane irin hatsari kamar cin zarafi yaɗe da kuma hatsarin mota gare shi iyaye ya kamata kuma su lura da kasar da ke tattare da wa'annan ƙananan sana'o'in na yara 'yan mata idan ki ɗauki departaman na dogon nutsi idan ki ɗauki na loga idan ki ɗauki birni idan ki ɗauki gaya Malgoro. Lallai mun sani muna gani abubuwa da dama kuna tuni a wata shekara a dogon nuci wajen yaro nawa suka rasu da yan mata da mota ta taka wurin tallace tallace wani kenan sai mu ce nauyi na farko uwaye ne ya kamata a ce su sun yi zane sun yi karatun wai menene za mu yi wanda na farko za mu kare hakkin su gina hakkin su na farko shine mu ban ba musu ma mu gamsu suna yau a ce mana suna makarancin ne kenan sai mu ce nan wannan wuri akwai sakaci na ma'aihi ne domin nan gwamnati ta yi wani tsari wanda ana ba su horo iri iri bi na yadda za su iya su sami abin da zai taimaka ma rayuwarsu na farko waɗansu suna cewa talakanci to waɗansu gaskiya ba talakanci ne suna yi dai eh, suna yi dai muna gargaɗi domin ƙungiyoyin mata muna kiran su mun sha haɗa su wuri guda mu tara su ba su horo bisa abin da ya danganci Shin wane ne ake cima yaro gina kuma wani irin haƙƙi ne ya rataya akan kan ma'ahin ne su ba yaro. Abin lura a nan dai shi ne Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, notre sportif, euh, notre sportif chroniqueur sportif du jour, Hasumi Gourouza. Bonjour Hasumi. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Hasumi. Alors, deuxième défaite du MENA national féminin U17 au tournoi IFOAB, d'Akra au Ghana. Oui, les filles nigériennes ont été battues samedi 14 décembre par les filles de la Côte d'Ivoire sur le score de 5 buts à 0. Le match a eu lieu au centre Pram Pram d'Accra euh, au Ghana, le MENA féminin U17 a été sévèrement battu, vous vous rappelez, 9-0 lors de sa première sortie face au Nigeria. Gourouza retour à Niamey pour le match amical international entre les dames du Burkina Faso et celles du Niger. Oui, Ruki, là également, nos filles ont été battues par le Burkina Faso sur le score de 3 buts à 1. C'était au centre technique de la Fenifoot euh, le samedi dernier. Le match retour se jouera entre les deux équipes aujourd'hui, lundi 16 décembre 2024, dans l'après-midi, toujours au centre euh, technique de la Fenifoot. Gourouza, après les dames, euh, parlons des hommes avec le match amical international qui a eu lieu samedi entre le MENA du Niger et les, les étalons du Burkina Faso au stade général séné-kunche de Niamey. C'est dans le cadre des préparatifs euh, des éliminatoires du champ. Euh, les étalons ont eu le dessus sur le MENA national sur le score d'un but à zéro. Les deux entraîneurs se sont dit satisfaits quand même de la rencontre. D'abord, nous allons suivre la réaction de l'entraîneur adjoint du Burkina Faso, Issa Balboni au micro de Salamatou Kadiri. Bon, je pense que c'est une victoire pour toutes les deux équipes puisque c'est la préparation. On cherche à savoir comment nos joueurs se comportent sur le plan défensif et sur le plan offensif. Le, score n'importe importe peu parce que bon, comme on est à la phase de la préparation, je pense que les deux équipes ont gagné. Je pense que la période est en réflexion, si je ne me trompe pas. Vous savez, aujourd'hui, euh, c'est une pelouse qui est d'une vieille génération, il faut changer pour la beauté du football africain. Parce que bon, le terrain vraiment n'est pas trop bien parce qu'il y a des trous sur le terrain. Donc il fallait faire très très attention pour ne pas se blesser. Parce qu'on n'est pas, on a quelques jours de la confrontation contre la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas qu'on sorte avec des blessés. Bon, je pense que l'équipe, euh, sur le plan physique, si elle travaille, euh, sur le plan tactique, elle travaille. Inch'Allah, nous allons le retrouver en phase finale du Chan. Oui, c'était là l'entraîneur du Burkina Faso, Issa Balboni. Nous allons suivre euh, Harun Doula, entraîneur de l'équipe du Niger, toujours au micro de Salamot Kadri. Bon, je pense qu'on a vu un assez bon match de préparation pour les deux équipes, hein, je dirais. Oui, c'est vrai, nous, on a eu des difficultés à, scorer dans ce match. C'est pas que les occasions ont manqué. Et sur le but qu'on prend, je pense qu'on euh, pouvait l'éviter. D'abord, euh, Nasser qui perd son duel 1 contre 1. À la suite aussi du, centre, on n'avait pas assez de joueurs dans nos 5 m 50. L'attaquant était seul, il reprend. on prend un, but euh, à la limite gag qui ne se doit pas parce que les erreurs commises là-bas sont assez graves. À ce niveau, on ne doit pas euh, prendre des buts sur des situations comme ça. On aurait dû avoir un défenseur au premier poteau pour concéder le corner ou même le gardien anticiper sa sortie sur le centre parce que le joueur était carrément sur la ligne. Bon, dans le jeu, par moment, on a essayé, on n'a pas eu d'emprise dans la maîtrise du ballon, mais je pense que physiquement, on a répondu à l'impact physique des, des qui était assez costaud. Voilà Haroun Erdoula, entraîneur de l'équipe du Niger. La deuxième sortie des deux équipes est prévue aujourd'hui après-midi au stade général Seni Kunchi de Niamey. Voilà, Ruki, c'est nous. Merci infiniment, Gourouza. On dira bonne chance à l'équipe. Merci. Voilà, chers euh, auditeurs. Euh, euh, nous allons cette fois-ci découvrir l'étoile du jour, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Dans la rubrique portrait, nous vous emmenons à la découverte d'un jeune leader à la tête du Conseil national de la jeunesse du Niger. Il s'agit bien sûr de Mohamed Sidi. Son portrait avec Mira Rouafi est rendu au studio par Habib Garba. La trentaine Très clair et d'une taille moyenne, Sidi Mohamed est un jeune titulaire d'un master en relations internationales et gestion des conflits. Il a fait ses études de et secondaire à Tawa. Il y a débuté sa première année universitaire avant de transiter vers une université privée de Niamey où il a obtenu son master. Sidi est pleinement dans la vie associative. Je suis fier de ce que la vie associative m'a donné. Moi, j'ai commencé de le basage âge, la vie associative autrement. J'ai fait les euh, le syndicat des scolaires. J'ai atterri au Conseil national de la jeunesse. C'est ce chemin-là qui m'a amené là où je suis parce qu'effectivement, c'est un parcours pour moi qui est rempli d'ambition, mais quand même qui est atypique du syndicat scolaire à l'Union des scolaires nigériennes et aujourd'hui au Conseil national de la jeunesse, élu le 8 décembre dernier à la tête du Conseil national des jeunes pour un mandat de deux ans, si du compte se mettre pleinement dans le travail au service de la jeunesse nigérienne. On a besoin de la jeunesse et notre mandat s'inscrit dans ces besoins d'avoir un Niger nouveau où euh, la souveraineté n'est plus un débat, où l'indépendance d'un pays n'est plus à démontrer. Pour nous, notre mandat s'inscrit dans une dynamique dans global qui, au finish, va aboutir à l'émergence de notre pays. La jeunesse est le pivot, la jeunesse est l'épicentre de tout développement. Des ambitions, il en a pour la jeunesse, d'où sa motivation à les faire briller pour les rendre utiles à la société. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il attend de la jeunesse nigérienne en retour Alors, j'attends de la jeunesse un soutien, j'attends de la jeunesse de l'unité, j'attends de la jeunesse qu'elle s'inscrive dans notre démarche qui a pour but contribuer à ce que notre pays sorte de cette euh, situation dans laquelle on a vécu et un pays où tout est à la disposition de la jeunesse, où la jeunesse n'est plus cette jeunesse du besoin, cette jeunesse des, des fadas seulement, cette jeunesse qui innove cette jeunesse qui façonne son avenir, cette jeunesse qui n'attend pas, cette jeunesse qui est en train d'entreprendre. Celle, il reconnaît qu'il sera confronté à un énorme mire de limites qu'il ne pourra franchir. À cet effet, Sidi que, si toute la jeunesse nigérienne y met un avenir prometteur l'attente. Voilà, on dira merci à Samira pour euh, la réalisation de ce portrait. On va poursuivre avec euh, la rubrique Loti du jour, n'est-ce pas, Rukaya Oui, c'est non. Et dans le Loti de ce jour, les femmes du studio Kalangu parlent de l'hygiène chez la femme enceinte. En effet, beaucoup de femmes se laissent aller de la négligence de soi à cause de la grossesse. Cela crée souvent beaucoup de conflits conjugaux. Écoutons Samira Rouafi et Salamot Kadri sur la question affairage, affairage, affairage, affairage. Kai, kai, kai. Hmm, je ne crois pas mes yeux. Bintou Bintou Oui, ah, tanti, c'est vous. Je ne vous attendais pas. Que me vaut cette belle visite Veuillez vous asseoir. Vous voulez de l'eau Ah, non, merci. Je ne vais rien. Comment pourrais-je boire de l'eau dans une maison comme ça Mais qu'est-ce qu'elle a ma maison, Tanti Regarde comment tout est désordonné. Je te rappelle que tu es juste enceinte, pas malade. Hein je vous assure que je fais de mon mieux, mais c'est mon dos qui fait des siennes. Quand je m'abaisse un peu comme ça, j'ai très mal au dos, wallahi. faut avoir peur de Dieu. Tu es juste fainéante et Dieu t'a donné un mari qui s'en fout. Attends, je vais voir l'état de ta cuisine. Subhanallah. Bintou, ça fait combien de mois que tu n'as pas fait la vaisselle et le rangement de ta cuisine depuis les trois mois de la grossesse pour le rangement. Mais la vaisselle, tanti, j'ai fait ça le lundi passé. eh bientôt, viens t'asseoir. Tu sais, ma fille, être enceinte n'est pas une maladie. Je peux comprendre que pour un début de grossesse, euh, que tu te sens pas bien à cause de tes malaises et nausées. Du coup, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais là, si je ne me trompe pas, tu es à sept mois et demi. À ce niveau de gestation, tu as de la force par la grâce de Dieu. Ne sais-tu pas qu'on peut accoucher à sept mois Tanti, je sais, mais pour moi là c'est compliqué. Hein. J'ai toujours mal au dos et même ce matin j'ai eu des nausées. Eh hey, tout. tu n'es plus une enfant. Hein. Comporte-toi comme une adulte à présent. La femme doit être en forme. La grossesse ne doit pas te rendre aussi négligente. Regarde même les habits que tu portes. Bien que tu chez toi, sois présentable. Regarde l'état de tes cheveux, on dirait un champ de maïs délaissé sans eau. Tu penses que comme ça, tu n'encourages pas ton mari à prendre du temps dehors Jam, tanti, ce n'est pas ce que je veux. Oh, donc agis en bonne femme. Ressaisis-toi et prends soin de ton corps et de ta maison. T'es juste enceinte, hein Imagine, on t'amène à la maternité. On revient te chercher pour la maison, on la trouve dans cet état. Que vont penser les gens, surtout ta belle famille Toi aussi, hein au retour du bureau, ton mari doit trouver sa table prête, sa femme qui est bien propre qui l'attend. Mais tu es là couché aux étalés sur le canapé à manger comme une vache. Même si tu ne peux pas porter des habits près du corps, sois propre avec des robes amples. Il y en a pour les femmes enceintes et c'est joli. Et pour la coiffure, tu peux la faire chaque deux ou trois semaines et des grosses nattes si tu veux. Ton visage sera joli et tiré. Vraiment, Tanti, tu as raison. Je crois que c'est mes caprices de femme enceinte qui ont pris le dessus, et comme mon mari était aux petits soins, j'en ai abusé. Mais je vous promets de faire beaucoup plus d'efforts pour changer avant l'arrivée du bébé. En tout cas, tu as intérêt. Sinon, tu verras comment ton mari va vite t'amener une coépouse ici pour prendre soin de lui, comme toi, tu es malade à cause de la grossesse. Eh, tanti, je vais beaucoup mieux, je vais bien même. Je crois que <laughs> c'est psychologique, je suis enfant. <laughs> ah, tu as intérêt. Bon, je vais demander la route. Je suis invitée à une réception de dot. Je ne dois pas être en retard. Mais tanti, qui vous a informé de ma situation C'est Habsat, n'est-ce pas Hey, laisse la petite tranquille. Toutes tes cousines et sœurs te voient et te rendent visite. Ou bien Bon, je m'en vais. Tanti, au revoir et merci beaucoup. Toi, salam alaikum. Merci les filles pour les sages conseils. Suivons maintenant Samira Oumarou pour la culture linguistique et le mot de la semaine est République. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, good morning and welcome to the show Culture Linguistique. This week, Niger will celebrate the 8th December, the birth of Republic Days. Cette semaine, le Niger célébrera le 18 décembre le 106e anniversaire de la proclamation de la République. Donc l'actualité nous oblige à nous pencher sur le mot République. Ensemble, nous verrons les contours du mot République. Le terme vient du latin res publica, qui signifie chose publique. This word become from Latin that means public things. En somme, la République est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants du peuple, généralement élus, plutôt que détenus par un souverain héréditaire. République en anglais veut dire republic. Republic a state in which supreme power is held by the people under elected representative, and which has an elected or nominated president. Let's take some example. Au Niger, la République est déclarée indépendante depuis le 3 août. That means Republic of Niger become independent since 3 August 1916. Le 18 décembre, date de la proclamation de la République, et le 3 août, date de son indépendance, sont des dates importantes pour le pays. 18 December, Niger become Republic of Niger, and 3 August, he got his independence. These date is very important for the countries. The community of scholars and the Republic of Learning. That means La Communauté des Savants et la République du Savoir. Ladies and gentlemen, that's all for today. All the staff of Studio Kalongo are wishing you Happy Republic Day to Nigerians. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. On se dit à très bientôt. Voilà, merci euh, Samira pour euh, tous ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir les explications en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Et je vous propose de suivre quelques messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu daga karkara kwanne har cikin kominikin kwanne ana waye mata kai biskan harka rigakahi na rashin lahiya na ɗiya kuma rigakahi da mata ya kamata su yi na vaccination su ma kuma ana waye mata kai na karkara bisa kan harka tsabta kuma akwai labarun da ya bada da karhe biyar zuwa can gaba kuma da aka saurare. kenan mu sai mu ce studio kalangu kamar studio mu ce ta mata tunda gaskiya akwai wayewa kai akwai sensibilization fanni fanni na ijiyan na harka sa iya mata na harka wani karuwa da mata ka yi na harka gona ko na abin gashi wuri-wuri duk abin da activity kin mata studio kalangu shi na sa hannu shi waye kai sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki kayan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙara sa mana hannu cikin shi ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na shi daɗi ina gaida hasiya a dubai ina gaida maryama a dubai a gaskiya muna sauraron kalangu sosai sosai lokacin da na yi karatu ma a yamai kullum da abokanai na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba surtu na faransiya wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Aussi, les doigts magiques sur le capas. le besoin le milliardaire, le boulot décalé. voilà, chers auditeurs, euh, c'est avec euh, cette belle sonorité musicale que nous allons prendre congé de vous. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de moi-même, Ali Moukela alias Seno, et euh, Abdraman. Le rendez-vous est pris pour euh, demain, plaisadier, avec un nouveau duo. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki et l'édition. Excellente journée à